Merci, chers collègues. Merci, chers collègues. Merci. chers collègues. Je crois qu'on me facilite la tâche parce que je n'étais pas venu pour parler à une majorité transparente qui ne comprend rien des enjeux. Quand je viens à l'Assemblée, je viens pour m'adresser au peuple sénégalais à travers la couverture médiatique, mais je viens également pour m'adresser au gouvernement représenté par un ministre. Et l'air est moins polluant quand nous avons une salle dépouillée de cette majorité qui ne comprend rien aux enjeux. Monsieur le ministre, les raisons que vous avez avancées pour euh, justifier votre loi de finances sont fallacieuses. Vous nous dites vous invoquez d'abord la conjoncture internationale. Nous avons dit depuis des années que votre croissance est conjoncturelle et non structurelle et qu'il aurait suffit d'une petite hausse du prix du baril pour que vous rendiez compte. Et c'est ce qui vous rattrape. Mais rappelez-vous qu'il y a six mois, en décembre, les 17 et 18 décembre 2018, vous étiez revenu de Paris en nous disant que vous aviez collecté 7 356 milliards au lieu de 2850 que vous recherchiez. Et aujourd'hui, vous nous dites la conjoncture internationale incertaine, commandant euh, euh, commandant d'observer une certaine prudence dans la mobilisation de l'investissement public pour financer les emplois. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de deux choses. D'abord, l'endettement chronique. Nous avons à 2012, nous à 2741 milliards d'endettement soit 10%, 40% du PIB aujourd'hui dépasse 6 milliards soit 62% du PIB Bon, tu vois les ni performance économique ngeen wax c'est surfait ensuite les mauvais choix d'investissement j'y reviendrai la deuxième chose c'est la vraie fausse réorganisation gouvernementale vous savez il suffit de quelques écritures par voie réglementaire pour faire les transferts de crédit ça ne peut pas justifier euh, une baisse comme vous le dites et je suis très heureux de voir que vous confirmez. Il y a deux semaines, j'ai fait une conférence presse pour annoncer un gap de 100 milliards sur les recettes fiscales. Vous avez fait un long communiqué pour démentir. Aujourd'hui, vous mettez dans votre loi de finances une réduction de 100 milliards sur les recettes fiscales. Mais c'est extraordinaire. Et vous projetez que ça peut dépasser les 300 et quelques milliards si on ne prend pas des mesures correctives. Mesures que vous ne prendrez pas à cause de la politisation excessive de l'administration fiscale qui ne travaille plus. J'y reviendrai également. Alors, les vraies raisons de la loi de finances, c'est le manque de sincérité, cher Bambadier l'a dit tantôt. Chaque année, dans cette Assemblée nationale, ces vaillants députés, cette majorité mécanique, nga xamné mën nañu tok di nelaw ba ñu ne voté jot na ñu yeere ne leen talal loxo sànq ñi ngi ñi ngi wara a voté benn way ñi ngi yëkkati loxo moom ci biti la néwon xamul lu ñuy wax borom kopp ci bi dafa dugg rek gis ñëp yëkëti mu yëkëti kon chaque année 2018 loi de finances initiale hausse de 349 milliards, 10%. Loi de finances rectificative, baisse de 66 milliards sur les recettes fiscales. 2019, hausse de 274 milliards, 7,5%. Loi de finances rectificative, baisse de 83 milliards. Non, nous Et notre assemblée mécanique vote sans savoir ce qu'elle vote. Les AMNAC, les mauvaises performances, le problème qui se pose, monsieur le ministre, vous décompterez ça d'une vous de parole. Oh, les Fatou, laissez-le parler. Mais non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Mais calmez-vous, calmez-vous. par calmez-vous. Non, non, euh. Eh, vous êtes le président, vous êtes le président. Nous avons le droit de sortir. Nous avons le droit de parler de sortir. Si nous voulons être même nos Mais eh, S'il vous plaît. Si nous voulons être même nos vies. S'il vous plaît. Hein? hein? Mais mais calmez-vous. Oh. Mais vous êtes le, vous êtes le président. Nous avons le droit de siéger par parler de sortir. Mais calmez-vous pas calmez-vous. calmez-vous. Mais laissez-le. Laissez-le, laissez, laissez, laissez l'orateur intervenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a pas président dans la salle. Non Monsieur le Président, on suspend de séance deux vice-présidents de avoir appel au règlement deux dañoo war a toog bay woo leen ñu ñëw woo leen ñu ñëw Sonko reprendre ce deux vice président a toog appel deux vice président deux Bon, maintenant, il y a deux vice-présidents dans la salle. Mais, la présidente Fatma Diop et la présidente Aïssou Sow Diawara. Voilà deux vice-présidents. Mais asseyez-vous. Il y a des, il y a deux vice-présidents dans la salle. Il y a deux vice-présidents. Il y a deux. Mais il y a deux vice-présidents dans la salle. Continuez, s'il vous plaît. Les Deux Les oui oui mais asseyez-vous. monsieur le président monsieur le président discours vous njëkk bi kenn minutes de nouveau. mais il n'en est pas question on a arrêté l'appareil on l'a arrêté on a arrêté l'appareil. non président président vous voilà, li mu waxoon bu njëkk baaxul li mu mais c'est pas rétroactif président. il y a deux vice-présidents. président la règle non non ci biir wax ñaari vice-présidents yi. seen i ñu njëkk a de deux deux. monsieur le président. Donc je disais, Monsieur le ministre, que si le budget voté n'est pas sincère, tous les projets qui y sont adossés ne seront pas réalisés. Où est votre terre que vous avez inaugurée en grande pompe Dites-moi où se trouve votre building administratif. wax ma ban étudiant université Amadou Makhtar wala université Saloum inauguré uniquement pour faire du fumage euh, politique li am deuxième facteur c'est les mauvaises performances de l'administration fiscale On a léegi d'un à l'extrême dans ces pays on n'encourage que la tortuosité et la contre-performance une administration qui enchaîne deux trois années de gap de plus de 100 millions 100 milliards on peut promouvoir qu'il fa ne caisse de dépôt consignation après l'avoir donné au petit frère qui a fait n'importe quoi les derniers rapports de DP, on a une capacité de sur pression fiscale bi te yéen 15 pour cent ngeen am foofu la seen problème nekk te mënu leen ko def et vous voulez toujours reporter tout sur les populations les faux arguments ba léegi wala les vraies raisons blanchiment de fraude fiscale fii la ñu toog avril 2012 ma bind lettre directeur général des impôts et domaines ne ko fayeekul sur suñu xaalis taxe de plus-value bi ñu waroon fayeeku ci gannaaw bi ñu defee seen i maguy diggante président rakam ak Aly Ngouille Ndiaye euh, Franck Timis mais loolu ñàkk nañ ko mais suñu vous ba di jaay di spéculer ngeen war a taxe de plus-value vous êtes inspecteur des impôts vous savez ce que je dis vous on se connaît très bien Les chefs qui wax kuy tux ak kuy laxas vous savez très bien que vous avez ko et vous attendez la loi de finances rectificative pour dire que maintenant vous dañ fait des impôt à partir de maintenant alors que le code de 98 ne l'avait pas exonéré ce qui est le problème yi su ngeen vous bu ko teg ci euh, ci ndodd sénégalais nan prix pétrole ak prix nangam nangam te ñu wara fay duñu fay ñettel bi copinage fiscal bi ngeen nekké tok nañu fi daw ma bind ci ben dossier ADAX interpellé woon naa ci président Moustapha Niass mu ne moom bokkatul ci société boba wala société bi ñi liggéel Orex may len 100 milliards de redressement fiscal ngeen bugg a njuuj ba ñoñu duñ ko fay tay yow mi avril lettre en date du 12 avril bind nga lettre ne suspendre nga la perception de ces redressements fiscaux 100 milliards moins déficit budgétaire bi ngeen am déficit fiscal bi ngeen am pourquoi multinationales yooyu ñëw fii fraude fiscale bi ñu fay ngeen dugg Sénégalais yi di continuer di fay taxe de plus-value qui ci ceeb beeg ci diwlin beeg ci lu problème bi nekk ñetteel bi wax naa la ko fii bi ngeen ko defee am lettre boo jël en 2018 ne sànq ñu ngi doux, la fameuse euh, taxe locale yow jël nga lettre qui rek exonéré ci le secteur hôtelier pétrole euh, hôtelier du moins parce que Racine si seen xarit la wala seen militant la te day def lobby nu ngeen buggee réew vous outrepassez vos propres compétences ñii di génn fii ci assemblée nationale xamuñu ni la loi fiscale est du domaine exclusif de l'Assemblée assemblée nationale ministre amul droit d'effacer la effacer dette fiscale et vous prenez vous des documents pour effacer la dette fiscale ayez le courage de dire la vérité aux Sénégalais sen cuune sen ñak bën ak sen ñak patriotisme ak dëng gi ngeen jiital ci sen gouvernance mo andi problème yi ci Sénégal et les Sénégalais vont souffrir parce que vous êtes incompétents mais les Sénégalais vont souffrir parce que cette frange du peuple du Sénégal bo bi nga xamné xaaliss xaalis bi ngeen di doon jëlee ci ñom timis ak ñom ñeneen ak ñeneen di jox ay 25000 ak 20000 pour ñu woteel leen ñoy doon les premières victimes de lii réew tapalé du ko défar réew djub ak liguey mo koy défar je vous remercie je vous remercie. La parole est à notre collègue Aïssatou Sabat.